studio Kalangu, bonjour. Vous êtes bien sur votre rendez-vous de 11h à midi, du lundi au vendredi, sur les ondes de nos médias partenaires. Aux manettes de cette édition de Niger sur Kalangu, Rabia Mekano, à mes côtés Fanta Shamsou comment vas-tu Ça va ce matin Je veux bien, Alhamdulillah Bibi. Et toi Ça va, super bien. Alors, quoi de neuf pour nous ce matin Fanta, comme d'hab, nous débutons cette édition avec le flash d'information. Et pour marquer le coup en cette veille de la journée nationale de la femme nigérienne du 13 mai, nous recevons comme invité l'unique femme de l'équipe technique du studio Kalangu, Amina Hassan, qui nous accompagne souvent sur cette émission, nous parlera de son parcours. Dans ce numéro, Rabi, nous aurons la revue de presse de chaque vendredi. Et dans la rubrique Écho des régions, nous ferons un tour à Zender pour voir comment les femmes de cette ville préparent la journée du 13 mai. Il y aura également toutes les autres rubriques qui font le charme de cette émission. Restez câblés. L'édition sera assurée par notre dame de fer de toujours, Adama Dawaki, et à la technique par Kader Chambiano. Chers auditeurs, on débute cette émission avec le flash d'information présenté par Mokhtar Hamadou. Bonjour Mokhtar. Bonjour, Mokhtar. Bonjour euh, Fanta Chamsou, bonjour euh, Rabia Mekano. Le flash d'information à présent les parlementaires nigériens ont adopté hier jeudi la loi portant le statut général de la fonction publique par cette adoption qui rehausse l'âge d'admission à la retraite de 62 ans au lieu de 60 ans. Le Parlement vient de doter le gouvernement d'un outil essentiel pour la mise en œuvre de sa politique en matière de gestion des ressources humaines de l'État, a estimé la ministre de la fonction publique, Madame Daura Hadiza Kafougou, au après le vote du projet de loi. La direction générale des impôts et la direction générale de la police nationale ont procédé hier jeudi à Niamey au lancement de la machine électronique à timbrer. La machine à timbrer est un système au service de la sécurisation, de la traçabilité et de la collecte du timbre fiscal. L'objectif recherché à travers l'installation de ces machines à timbrer dans les différents services de la police est de moderniser et sécuriser les flux et revenus du timbre à travers l'édition quotidienne d'un rapport d'activité par l'opérateur, l'envoi à date fixe à des transactions par site du serveur central, mais aussi la gestion des informations collectées l'édition de rapport et l'extraction des données. Le gouvernement britannique a salué le leadership du roi marocain Mohamed VI pour avoir, fait du royaume un relais déterminant pour la stabilité de la paix et, et du développement dans la région de la Méditerranée, de l'espace sahélo-saharien et de l'Afrique de l'Ouest. Cette reconnaissance est intervenue à l'issue de la quatrième session du dialogue stratégique entre le royaume du Maroc et le Royaume-Uni qui a été sanctionné par une déclaration conjointe euh, dans laquelle euh, les deux parties ont souligné leur engagement commun en faveur du renforcement des liens bilatéraux, notamment dans les domaines de l'économie, de la sécurité et de la coopération culturelle, rapporte l'agence nigérienne de presse ANP. C'est tout pour le flash d'information de ce vendredi 12 mai 2023 et d'agréables moments en compagnie de nos collègues Rabia Mekano et Fanta Shamsou pour la suite de votre émission Le Niger sur Kalangou. Merci, À bientôt. Mais comme annoncé en début d'émission, nous recevons dans ce studio Amina Hassan, que vous connaissez de nom. Nous l'avons détachée de ses machines pour découvrir son univers de technicienne. Amina, bonjour. Bonjour Bibi. Ça va Ça va. Ben, avant d'entamer notre discussion, Fanta, notre playlist de ce matin rend hommage à la femme nigérienne. Effectivement, Rabi, nous sommes à la veille du 13 mai, journée nationale de la femme nigérienne qui a pour thème cette année Femmes et développement. Nous vous invitons à savourer ces magnifiques sons et du groupe al Bichir de Tiro. de la troupe al de Tiro. Cette chanson décrit la situation de la femme rurale, à travers laquelle cette troupe fait un plaidoyer pour que les conditions de vie de ces femmes soient améliorées, notamment avec l'accès à l'eau potable. Et oui, Rabi al de Turo est une troupe qui, à travers ses chansons aussi instructives les unes que les autres, continue de faire tourner les mélomanes de la musique moderne nigérienne. Cette troupe a été dirigée pendant plus de 30 ans par le fait Badoche Norwa qui est décédé le 25 juillet 2022. Amina, ça va Ça va. Irgie Kaniga, tu as aimé notre euh, tour musical là Oui, oui. Ah, je te voyais euh, bien <laughs> concentrée sur la chanson. Amina Hassan. oui, ravi. Euh, Irm ka irfa karaga, irik birim bay. Dangdei son gir margino goyora technicienne. Et puis il faut nos cannes goyora. to madalla go gai fondo goi dai sabito nan dai ir hangan koi kulka yango hangan studio kalangu sai wana wana Niger sir kalangu eh ai sintin dai tekniko ga kason dai zama son tekniko bondai no irgo zama n'o ga tay goyo son yarin ga abondai daga salam zakan mantinga nai sintin dabu ah oh, animation ah, 2000 animation bon après na 2000 émission fonon fongandi fongandi baise radio uh-huh. sensibilisation ay musique à la carte ig cuisine kad y kay te radio télé a télé mo ay te farha aha <laughs> no gumo Eh, zama son daran karan ne amin hassan no goma bon studio kalango di tare kulu isbai kan no me hun kun kai gosalan igene a ah, ya dinga an gai amin Hassan o kingai ba wizan garo go yek tete kire kuna go <laughs> fongu jindaga oh. ingili go fongu jindaga <laughs> mm. to eh tekniko dai mo furara kala eh 2012 hare ingano ID kan aga kana ise gumo ayi ne takarda hantumai kwanda irgin funai do wasu wasu bon ina ino fondi ne wala ay mkoy gati za kan ay du courage kan ay nai bay mati akkan ngai sai mkoy gati ina ino fondo ay sintinara ay sintin mu alhamdulillah yar gani kyauno ni yega koy kyauno wala borfono ni formé dai wala ina formé dai no ay cal technicien ay dai kan yon gora dai yara ibande dai ne subay gudon don kalay wani mashallah mm. ifure no kan si goyora goyo wo hay kan ga kanai sara gumo ay mi di boro

ni bai rabi wai borai iguhun burno zanga iguhun burno wawai da sanni bo bai kan yan kwara borai da icele kan gandai gogoi gite ise da kai na kai na ki gite ise de ingino ga ingino ga nan wai borai mu burin ga senu igiye da banda wai burkul kan ne ni mu humbur kuma idan ni binara mu ni singa fatta tare ya dinga wadin senu bor mu humbur kuma kani binara din kan ni di wai borai isi gfuro tekniko de rada bayan humbur kuma dai no zangin gai humburin ngai muka imsubai gin gai wau imine ya kinan da ya cine da manta din tekniki matkan alborai albo wai bare ngon kan yan wato di irga kani irga kani goyo da matkan alborai igi dan permanence ya din nirbun boy gir dan permanence irga kani ya din ga wadin da man nin bina nanu no gacca ba kan woni go dai no ni ga ba man taifono go kan dini borai igini wo igine to gunu wai borai ze kan go koi kani goido ni ji wala to wadin humbur kuma inga seno wai borai isibin gai mfurgo yedin de mara Mm. inki hindo no gogi hunguran nde faman ta haifono wodi yendo borei is kan borei gite ise taraidi di chala bun bokan gogoyodo kan ga sabu yam yam fo yan tengai bun mm-hmm. wodi no gogi im kaga furgoyo wodi mara to mm. amino son kan ni go bor eska goyoga to eh fanta ni bay goyo kul kan cinno goyo goda nin kan gaba ni goyo nin nigin nigin bon wi nim ka ni goyote me goyo agil borwar goyo kan niwo wai borno agilan bin goyo ga ifose agilan kan niwo wai borno na agilan baga zan borbo yan goni igin la sabu kai ne hayawo ingay wo wai borwa iska wai borgi hinga hayawo te mm. ingay wo ngay ne hala eske hayawo borgi hingate mm-hmm. hayawo alborhinno no hingate surtout di mene jama rano imine borom kago goy te. Technique wani mhm. kul igidi kan zanga borwo wai borno borsin ga kan alborgi goro ga yadin agalla mu mm. borgo ga me nigi chabano kan niwo wodi asi asin parce que nigi bani goyo nigi bani kai gin goyo tan ga ni no asin jama fo gon wali min badu goyo wani min sin goyo wani asin yadin okay to oh. amina inshallah irgi yega ka irin faham ni goyo wasi basir technique technique teknik boren gon kan su faham ifo dai technique goyo ni fahamandi dise mais avant cela fanta Mhm. Nous allons euh, écouter la revue de la presse qui sera présentée par Rafika Ataher. Bonjour Rafika. <laughs> Rafika, ça va Bonjour Ravi, comment tu vas Voilà, et euh, ça va bien. Maintenant, qu'est-ce qui a marqué euh, l'actualité cette semaine, Rafika Alors... Fanta <laughs> voilà, Rafika, on s'en mêle un peu les pinceaux. <laughs> on a tellement de papiers avec nous aujourd'hui. Euh, Rafika, nous avons les médias en période d'insécurité. L'ONG RAI, hein, qui a organisé à l'endroit des journalistes un atelier sur le reportage médiatique en matière de sécurité selon Niger Inter dans sa parution du, du 10 C'est ça Justement, Rabi, le journal nous apprend que dans le cadre du projet Synergie des institutions pour la lutte contre l'insécurité au Niger, l'ONG REI, avec l'appui financier du National Endowment for Democracy à travers le NDA, organise un atelier d'échange sur le reportage en matière sécuritaire à l'endroit des acteurs des médias et presse en ligne. L'atelier s'est tenu à Niamey en présence des représentants du CNI du CNESS, du CNAP et de la HACP, mais aussi d'une vingtaine de journalistes. Selon le secrétaire permanent de l'ONG RAI, au terme de cette activité, les acteurs des médias et presse en ligne devraient être en mesure de mieux informer les populations sur des faits réels, vérifiables sans faire l'apologie du terrorisme ni semer la panique au sein des FDS. Rafika, cette semaine, on note aussi la coopération entre les institutions. La CENI du Burkina Faso à pour une mission de partage d'expériences sur les meilleures pratiques selon agname.com. Effectivement, Fanta, d'après le journal, les membres de la Commission électorale nationale indépendante du Niger et leurs homologues du Burkina Faso se sont réunis le 4 mai à Niamey pour partager leur expérience sur les meilleures pratiques liées au processus électoral. Les deux pays partagent les défis communs de l'insécurité qui a entraîné des déplacements des populations à grande échelle. Les questions d'intérêt pour la CENI du Burkina Faso conduites par le président de l'institution, M. Élisée Ouedra porte entre autres sur le dispositif de coordination de la sécurisation des opérations électorales, la prise en compte de la force majeure dans le déroulement des opérations électorales, la gestion de la logistique électorale, le dispositif juridique et opérationnel de gestion des incidents et le mode opératoire de l'enregistrement des électeurs. Il y a également la préoccupation concernant le dispositif juridique et opérationnel de la participation des personnes déplacées internes au processus électoral et aussi le recours aux technologies de l'information et de la communication. Rafika, en économie, un accord sur le FEC et la FRD signée entre le Niger et le FMI, édition, édition du DIM 2023 du journal Le Canard déchaîné. Et eh oui, le Fonds monétaire international FMI et le Niger ont conclu un accord sur la facilité élargie de crédit et sur un nouveau programme au titre de la facilité pour la résilience et la durabilité. L'annonce a été faite lors d'une conférence de presse jointe animée par le ministre des Finances, Ahmad Jidoud, et le chef d'une mission du Fonds monétaire international, M. Antonio David. Le montant de la FRD accordée au Niger est de 133,4 millions de dollars. Pour la FEC, ce sont 26,7 millions de dollars qui seront décaissés pour le Niger. Cet accord triennal au titre de la FEC vise, selon le FMI, à renforcer la stabilité macroéconomique tout en jetant les bases d'une croissance résiliente, inclusive et portée par le secteur privé. Quant au financement de la FRD, il viendra, selon l'institution, appuyer les réformes structurelles et les investissements. Il vise à remédier aux difficultés ou aux risques de plus en plus prononcés que pose le changement climatique. Le communiqué souligne aussi que les réformes appuyées par le financement au titre de la FRD contribueront entre autres à intégrer les enjeux climatiques de la politique macroéconomique du Niger en renforçant la planification et la budgétisation des dépenses liées au climat, la gestion budgétaire pour mieux tenir en compte des risques de catastrophes et en favorisant le recours des ressources d'énergie renouvelable. C'est tout pour cette revue de presse Rabi. Merci Rafika. On se retrouve tout à l'heure pour les couleurs de la grande édition du soir. Avec plaisir. Voilà. Amina, <laughs> on revient à notre invité dans ce studio, Amina Irgirmbay. Nous voyons des techniques, techniques. Il faut la himada. Faman to ir hangan koy kayan si bay kanga te technique technique day gati ir technicien ir wo be bayanno isidi ma ir jindai isidi iri ir day goro loktara kubara ko indir <laughs> wo be bayanno to ir wo ir no gati technique day gati boray kayen ngay no gana aran sanne wo karon goti ingay kan go goro kayan go mara sedi to ir no go nan aran goma ma ngai kan go ga hanganir i go ma aran sai kul kan aran gogani gane mashin yan no go ne kayan gira mu furnde mu fattanir mir kan bai zai nan ne harir mu nan ne harir ma ayo ne harir to nguno gnan hay kul kan ir go te son e technique no go nan bora kul go ra technique ngai mo mono go ga te kan ganan imma hay karan gote ah to amina su bidir ko yinir chaban zaro ka ir niger wai borai sinoya to message fono go ni sai kanin ba ni musamba. ba way si hmm. fanta ai mono gonda ga tonan di do halmantu musu ay ñaak fo wai way boreydi kan yango fugu goro nigi bai kan borbo be yango ni ra kan diplome yan no mhm. wali ne diplomate yanno nigi bai kai gwanda no i fani ne bine i gwanda bak yan i gonda licence i gonda hay kuligo fugu goro wai isa hinga ga ka ga goy imsinga wawse to wallahi ayi son ayi gi fahamandi kan wallahi im fatta haye dirra im ka tuguyan wadin kan im fatta ka tare bon ka guna din fatta ka jamara asini hay kunna silam bini way zangi mine ni borno hay da al dini non gote temo asilan bin ga asin ganji gokul kan sin ganji ni min temat kan bora gonga teda ya dinga ifo sino bora ko tugu bora mus ko tugu goyo gote technique ay goge kel nyak fu sin imka ara da bayan igudu ara lakkal kanai ya di mono igama kani zami mis koy mil hal zangadai haya go humburande asu di wani wani ai calai wo kayir dai go charra dindi mata kan cinno igo gai gai da zanga at kriya kan ni bai da go nyon wodi babo sai sibai na kulkin gai gada wallahi fanta ya dinno ai go ai chalta kini sai ngai gamara isibai na kulkin gai gaida to wudin sai wai bore imsi lamba imka im kaga goy kul no way borgin al ate furara din furara kula gati nigi dimo aga ba abdulkader abdulkader oh. en, espérant que ces voilà. été entendu voilà merci euh, Amina je crois que elle va retourner à la technique <laughs> voilà Chomiano tu lui donnes euh, la manette de son émission merci Amina c'est un plaisir de te recevoir Voilà, chers auditeurs, À l'instar des autres communautés ethno-linguistiques du monde, les Touaregs disposent aussi de leur propre écriture appelée le Tifinagh. Vous l'aurez compris, nous sommes dans la rubrique hebdo et aujourd'hui on parle de culture. Donc on, dit, on parle du Tifinagh qui est une écriture utilisée par les Touaregs pour rédiger des lettres et des documents. Oui, malheureusement, Fanta, cette écriture est menacée de disparition du fait qu'elle n'est pas inscrite parmi les autres écritures enseignées dans les écoles, estime al Malik, à Ahmad Farouk, écrivain en langue tifinagh. On l'écoute au micro de Idrissa Adamou. duk abin da na rubuta da hausa ina iya fassara shi da shifina abin da na rubuta kuma da harshen tamashin ina iya fassara shi da hausa wajen shekara 1980 na fara rubuce-rubuce ne ke tun ina yaro rubutu na buzanti shin yana da asali a cikin kabila ta buzaye kuma suwa da suwa suke amfani da shi kamar ma'ana wani yanki ne ake ga amfani da shi to shifina dai jibba hamani ya ce mana da shifina da rubutu na lara larabawa da na yahudawa da na ethiopi kai duk rubutu da ya ce mana duk asalin shi guda ne to mutanen da suke zamarmane wuri guda suke kula da nasu da ya zo kaman abin da ake ce ma letar haka babu wasulla suka wasalta nasu mu namu ba wasalta shi ba saboda ba mu zama wuri guda sun ka fara aiki da nasu mu ba mu yi aiki da namu ba duk mafi yawan rubutun shi fina ba mu ga littattafan shi ba bisa duwatsu an ka same su amma ga al'umma akwai shi ko da babu karatu ka iya shi lokacin da ka taso abinda za ka fara koyo sunanka <coughs> da sunan abukiyarka saboda wasiƙa tsakaninku ko a rubuta bisa kunnan tunhahiya ko bisa fata tunda lokacin nan babu takarda makaranta ce ke da kwai ta musamman wadda aka koyar da ku ko kuma yana aka yi kuka iya haku kai fagen rubuta wani littafai ni na yi kurdadi ta hausa na yi kurdadi ta horon shi bai nisa ba amma duk sun taimaka mini saboda na iya leturorin kuma na iya bakaken dukansu to wajen shekara alif ɗari tara da tamanin da shidda sai wasu nasaru daga malaman suka ce ana son a samu marubuta tamajak kai duka an ka hada mu da tamajak da kanori da fillani da zabarma duk dai kabilun nan an ka ce a samu a yi littattafu to lokacin nan mun iya su amma ba su da wasulla an ka ɗauki sati guda ana karanta shemu a gades ka ɗauki sati guda ana karanta shemu nan tawa mun ka wani sati ya mai sa'annan na mun ka gane wasullan waɗanga shefena kuma muka gane rubutu na tamajak da kan shi cikin bakake na turawa cikin wannan taya sai shi buhamani mun kai ta haɗewa da su so da yawa a cikin tamadariya yana ganin abin da nike yi to sannan ya ce mini to rubutun da ka kai ma haka ya ga takardu na su ya isa ce ka tsaya kai ta gyara to ya ce kuma yanzu abin da nika so wanda za su kula da kai a yi littafi na farko babi kamar kashi uku ko hudu a na zamantakewa al'umma da tabbastaka yanayin ƙasa wasannin kwaikwayo da sauransu har an ka bugo min littafi na farko daga alman sai daga baya kuma sauran dudai an drafta ya mai ake ta kuma yanzu kun kai ga rubuta littafi guda nawa ga naku tunani a'a duk littafi bi ne wancan na farin da ake ce ma taskirar kaltamaja wanda ana samun abubuwa da yawa kamar rago komi har robelium mafarin da abin da ta kawo da sauransu duk suna cikin wannan shaiha cikin nan taskira ta kaltamajik sai waɗanga na tatsuniya da gatana da waƙoƙi su kuma su bi ne kenan littafi uku ne amma kundi da abubuwan da suke cikin suna nan da yawa don jibbo hamani ya ce mini kai dai ta ajiya saboda ko wata ran wasu su gyara da yanzu kai dai baka da kuɗin aikin sa'annan kuma ko kasa kuɗin ka rubutu namu ko na tamasha ko na hausa bai da valar niger inda kamar najeriya ne yanzu kamar cikin kabila buzaye yalla watakila akwai masu kusan toku su karba su karanta ko kuma su bukaci a yi musu kofi don su dinga amfani da shi haka suke faɗa da baki kowa yana cewa yana so amma dai har yanzu dan kaga littafin ga sunan an izo min su da ya mai eh, shifina masu wasali yana tammaha na yi kira ni ce kowa ya zo ya saya jika uku uku babu wanda ya zo in ba mutumin guda eh, daga talamsas shi kuma mushallakon ne abin da ya hito da su wani da ake ce ma sarki hamma wanda yake kasar ghana eh, shi ne bara da mun ka zo takazart bankila da kenan ya ba da ƙari ya ce wannan rubutu a hito da shi makarantar da yara don akwai masu kuɗi wa'ansu daga saudiya ma sun ka zo sun ka ce za su kafa makarantun ne tun da su kwamarsan ne sun ɗauki nauyin sha Allah ko kayansu na kwamand ko daga shin ko ina ne za a rika izo musu shi da rubutunsu na to ministry ya zo ya ce ta saura gare ku yanzu dai ku karantar da yara su koyi rubutun naku sauran aiki dada wanda ya shafi hukuma mu doke muku shi. To kamar ko da cikin yaran ku ne ko kuma a ce abokan zamantakewa yalla akwai wanda suka dan fara ko su koyon wannan rubutun da kuka nan gai ma'ana kun dan so ma koyar da wa'ansu. Babu. Voilà, chers auditeurs, vous êtes bien sur l'émission Le Niger sur Kalangouko, animée par Rabia Mekano et Fanta Shamsou. Nous tenons aujourd'hui vraiment à faire plaisir à la femme nigérienne qui sera célébrée ce samedi 13 mai. Et la chanson qui va suivre est devenue littéralement l'hymne de la femme nigérienne. C'est juste magique l'effet que le titre Mata du groupe Soga a sur les femmes. Je te le fais pas dire, Fanta. On les écoute. chers auditeurs, c'était Mata du groupe Soga en l'honneur de la femme nigérienne, l'un des groupes musicaux nigériens les plus aimés par le public. Ce groupe qui fait bouger les jeunes, tout comme les moins jeunes, à travers des chansons et des styles variés. Et cette chanson Mata est un magnifique son qui rend un vibrant hommage aux femmes nigériennes où qu'elles puissent être, en campagne comme en ville. Tu sais, Rabi, à l'occasion de cette journée, plusieurs activités sont organisées par les femmes partout dans le pays. Oui, Fanta, et notre rubrique Écho des régions nous amène à Zender, justement, pour voir comment les femmes se préparent là-bas. En effet, Rabi, la Journée nationale de la femme nigérienne, célébrée le 13 mai de chaque année, symbolise la marche historique du 13 mai 91 par les femmes nigériennes qui ont réclamé et obtenu une plus grande représentativité au sein de la commission préparatoire de la conférence nationale souveraine tenue du 29 juillet au 3 novembre 1991. Madame Ibrahim Omoul Moumi Moumou Nina, directrice régionale de la promotion de la femme, estime que les femmes de la région des Indes connaissent l'importance de cette journée et elles s'impliquent pleinement dans les différents comités d'organisation. Elle est interrogée par Maria Manoufou. salloli kan na duniya ga wannan sallah mu ta ƙasa guda biyar gare mu na mata musamman wannan mata ne suka shawa ta farko akwai wimars sallar duniya ta mata akwai yau tresme sallah ta matan ƙasar niger akwai sallah ta duniya ta iya mata 'yan mata za a ce akwai abin ga sejour d'activism shine sallah wadda ta shahi zancen musgunawa da ake ma mata da ɗiya mata a cikin duniya. Wannan sallolin duka muna yin su muna damawa da mata amma alhamdulillah ga mata na gari mata na karkara wallahi kowanne sun gane kuma suna ta yanda ya kama saboda a da in an ka ce sallah kamma mu samu mu sa kwamiti wanda zai kula da wannan tsare-tsare da sauransu sai mun sha wuya amma yanzu daga mun nemi su mata reunion ta farin zama na farin da za mu yi su kansu matan za su yi hido muna ni zan shiga kwamiti kaza ni zan kenan kai ya waye nan matan mu fam leader wanda muke dama da su a cikin gari mu ban mu da wani bambamci duka fam leader in mun ce fam leader kelswa de la majorité kuma ko abin ga opposition mu babu ruwan mu ce wannan 'yar adawa ce wannan 'yar bisa mulki ce mu duka mata mata sunan su mata kowacce muna damawa da su haka zar mata na karkara ni abin da ma yi ƙayatar da ni da ma mun musu zance su sassu ga musu yi shawara da kansu har kuɗi kuɗi suke su yi uniform su yi menene kenan alhamdulillah kai ya waye wannan sun san mahimmancin sallah sun san mahimmancin su su mata yanzu shekaran jiya wannan tres make one freeman ni abubuwa sun birge yan mata ta na university mata ne na gari masu zaman gunduma su duk su yi takardu suna neman su ma su hito ranar sallah wannan ta tres su ma su yi shagulgulla waɗanda za su nuna suna goyon bayan wannan rana. Kamar hajiya na da magaram matan wannan da zara in a maraya za a yi ta ko kuma cikin karkara kuma kuna gayyatar alal misali kamar wanda suke wasu gundumomi na kusa da ku don su zo a gudanar da wannan sallah tare da su. To alhamdulillahi wannan zancen sallah na gundumomi. Vraiment mu kama jihar ce. Kama yanzu cikin departament muna da wakilai a cikin kowace gunduma su suke tsara sallah in suna ka tsara sallah a can sai su nemi a cikin nan ma'aikata ta jiha tunda mu mu jiha ce mu zo mu kama musu wannan sallah ai da su mu kuma daga nan cikin nan cikin jiha da magaram za mu gayyaci mata mu ɗauke su na nan cikin garin zandar kullum in ana sallah a ƙananan lisai in ba mu da bisu biyu ba wata rana mu tai da bisu biyu har mu gama da ƙananan motoci an taɓa yin shi so ɗaya a mata mai muka gaici duka matan na departament aka gamu a nan aka yi sallah amma yanzu an ɗan samu kamar shekara biyar zuwa shida wannan rotation ba a yi ta ba daga nan har zuwa 18 zuwa 20 mai ana yin sallah. Me taken wannan sallah? Taken sallah bana ci gaban ɗiya mata fam e development mu yanzu duka abin da ya shahi ci gaban ɗiya mata kowanne ma aka hido aka yi alheri ne tunda shi ne muke nema duk ci gaba ma na duniya in babu mata ciki babu ci gaba. Ma'aikatar mata ma'aikata ce da ke tara mata musamman ma da zarar irin wannan shirye-shiryen sallah ya zo akwai wasu matsaloli da kuke gani daga su mata musamman ma a matsayin ki na jagoran su wa'innan mata da zaki zamna da su na su fahimci me za a yi wani irin tsare-tsare za a yi wani irin gudunmuwar su za su kawo ko kuma me suke so a tattauna tare da maudu'in da gwamnati ta kawo da a gudanar da wannan sallah. Ito Mata, in eh, an ce mata sunan mu mata. Kenan mu tsakankanin mu sha'ani duk iya zaba ki ji ba mu in mun yawa gida ya gyaru in babu mu babu gida <laughs> kenan dole sai mu yi hankuri da juna bai a ce mata ba mace ɗaya ba ba biyu ba an gamu kowanne a ce a ta yi daidai ana samu amma daga nan ba a tashi sai mun ciwo kan eh, eh, matsalai mu tashi kuma a ci gaba da rayuwa kuma sai a daidaita a tashi ana jin daɗin juna kamar kan mu rarrabu Voilà, chers auditeurs, c'était Madame Ibrahim Oumoul na au micro de Mariama Nuhu que nous retrouvons d'ailleurs à l'autre bout du fil. Mariama. Oui. Ina kwana? An tashi lafiya. Alhamdulillah. Hello. Ya da magana? Ah, alhamdulillah ya aiki. Alhamdulillah. To Maryama yanzu muka yi da sauraron rahoton ku akan wannan ranar ta mata. Mm-hmm. To na ce mi kuka shirya a bangaren ku musamman ma a taken farm a development a jihar da magaram. Akwai wasu shagulgula da ake shiryawa su wanne ne? Eh to eh, gobe ne ranar uh, sallah a duk faɗin ƙasar jamhuriyar Nijar. Mm-hmm. a nan da magaran kama kowane ƙasashe da suke shirye-shirye da magaran ma ana nan ana shirye-shirye wanda tun a yau ma misalin karfe takwas yanzu haka muna cikin tattaunawa ne tare da mata na kungiyoyi abokan hulɗa da kuma mata na gari da na karkara don a samu a shirya wannan sallah kamar yadda kuma taken nata na bana ya bada a gobe insha Allah a mgc ta da magaram an tara mata masu yawan gaske da magabata da sarakan galgajiya don su ga abubuwan da za a tattauna a kan shi. to abin da muka yi ba ma karhi tun da an cire ci gaban iya mata a da magarama ubin hukumance ba a kwanakin baya an sami yarinya da ta rataye kanta bisa kan magana arman doli sai aka ga to duk cikin irin tattaunawa da wannan ma'aikata take yi tana tattaunawa ne da mata na ƙungiyoyi da kuma mata jagorori na a samu a magance irin wannan matsaloli mm. na arman dole shaye-shayen ɗiya mata saka ɗiya mata na lakwal. abin da dai za a tattauna gobe da sahe da magabatanmu da kungiyoyi da kuma mata da su masu unguwanni daban-daban mm. bayan nan kuma akwai lakca ta musamman da aka shirya yadda mata za su kama me yake da suna mahimmancin aikin da suke yi in mace wata irin sana'a kike ya kamata ki huto a sanki mm. in mace mai kike yi kuli kuli kike yi ice kike sai da kaniya kike sai da to ya kamata a ce kina dama da kowace mata hal a kai ga gurin da ake so a cimma in ma ma'aikaciya ce ke ya kamata ki hoto ki rika zantawa kina tattaunawa da mata na karkara da a samu a zamo tsintsiya ɗaya ko menene za a yi shi mata tsakaninmu ya zamanto babu wata matsala babu fifiko cewa wanga ya yanga. dalilin mm. wanga yana iya tada wanga a tafi tare a kowane fanni abin da ya shahi kasuwanci ci gaba noman rani da dai sauransu to madalla wanda aka shirya a gobe kenan albarkacin wannan rana ta duniya ta mata a nan da magana Allah ya sa a yi a gama lafiya mun gode sosai Maryama merci beaucoup souhaitons vraiment voilà que la fête soit belle pour toutes les femmes nigériennes Bibi on fait une petite pause et on revient juste après. Voilà, Rabi, euh, nous souhaitons vraiment que la fête soit belle hein, pour toutes les femmes nigériennes. Toutes les femmes nigériennes. Et seulement, monde, attaque notre page sport, Fanta, avec notre chroniqueur sportif, Adam Sariou. Bonjour, Adam. Bonjour, Fanta. Bonjour, Rabi. Ça ah. va Ça va bien. Alors, euh, nous allons ouvrir euh, cette page sportive avec les matchs huitièmes de finale de la Coupe nationale de football. Oui, Fanta, on connaît déjà les quelques équipes qualifiées pour les quarts de finale. Il s'agit alors de Alkali Nesra de Zender, le Liberté Football Club de Niamey, Espoir FC de Zender et l'Union sportive de l'Université Abdou Moumouni de Niamey. Ce soir, Akokana Football Club d'Alit joue contre Nima FC de Difa et l'Olympique Football Club de Niamey contre l'AS Garde Nationale au stade municipal de Niamey. Et Adam Azender, la première édition du tournoi de football à l'intention des 16 établissements scolaires de la ville a pris fin. Oui, Rabi, c'est l'équipe du CSP Fogasso qui a remporté la coupe en battant l'équipe du lycée Amadou Kourandaga suite aux séances de tir au but. Les troisième et 4e places sont respectivement occupées par le CSP Zangou et le CFPT. Euh, toutes les équipes, qui ont, tous les établissements qui ont pris part à ce tournoi ont reçu des prix d'encouragement. Selon Suleiman Abdoujibo, responsable de l'association Nagari, l'objectif de ce tournoi est atteint, celui de promouvoir la paix et la cohésion sociale en milieu scolaire. On l'écoute au micro de Ali 16 établissements de la ville des Anders où il y a la violence et la consommation de la drogue. En tout cas, ont compétit pendant 17 jours et 32 matchs ont été effectués. Et à la date d'aujourd'hui, nous sommes arrivés à la finale. Et au niveau de cette finale, nous, le constat que nous avons fait, c'est l'ensemble des scolaires de la ville des Anders qui ont gagné. Il n'y a pas de gagnant et il n'y a pas de perdants. Tous les matchs ont été faits, en tout cas dans la cohésion dans la paix. Les difficultés qu'on a rencontrées, en tout cas, ont été gérées de manière pacifique. Cela veut dire que les sensibilisations que nous avons menées au niveau de cet établissement ont abouti. Nous avons des ambassadeurs de la paix qui sont là pour vraiment gérer de manière pacifique le conflit parce que dans les matchs, nous les avons identifiés et nous avons compris que ces gens-là sont en train de mettre, en tout cas, les pistes qui ont été données. Et c'est vraiment une fierté pour nous et c'est pour cela que nous demandons aux autorités académiques de créer les conditions pour que ce genre d'activité vraiment soit pérennisée au niveau des unités d'appuissement afin de donner l'espoir à nos enfants pour qu'ils puissent jouir et vivre dans la convivialité. Adam, à présent sur le continent, on connaît également les demi-finalistes de la Cannes U17 qui se joue actuellement en Algérie. Oui, Fanta, les deux matchs, euh, les deux demi-finales qui vont se jouer ce dimanche va opposer le Burkina Faso contre le Sénégal à 17h heure locale et le deuxième match entre le Maroc et le Mali à 20h. La petite finale est prévue le 18 mai à 20h et la grande finale le vendredi 19 mai à 22h. C'est la fin de cette chronique. Au plaisir de vous retrouver pour un autre numéro. Merci, Merci beaucoup. Adam. À <laughs> bientôt. Rabi, c'est le moment de braquer les projecteurs sur notre star du jour. Aujourd'hui, nous allons à la découverte de Farida Boubedoubi, jeune doctorante en sciences de la vie et de l'environnement, plus plus précisément en hydrologie. Elle est lauréate du prix Jeune Talent Afrique subsaharienne de L'Oréal et de l'UNESCO. Un concours qui récompense des chercheuses africaines pour l'excellence de leurs travaux scientifiques. Le parcours de cette brillante jeune femme que nous avons eu le plaisir de recevoir dans nos locaux est retracé dans ce portrait réalisé par Rukayatu Abdouhaman. À 26 ans, Farida Boubedobi est doctorante en hydrologie. Après l'obtention de son baccalauréat série D à Niamey, Farida s'envole au Maroc avec une bourse de coopération pour continuer ses études. Ce n'est qu'après l'obtention de sa licence en géosciences qu'elle a su le chemin à prendre, notamment une thèse en gestion de ressources en eau. La géologie, ce n'est pas forcément euh, un domaine de prédilection qu'on connaît forcément. J'étais euh, une des deux, trois filles dans la classe. Donc j'ai commencé comme ça, euh, sans forcément savoir où j'allais. Pour être tout à fait honnête, je ne dirais pas que je, j'avais un chemin tout tracé, mais c'était plutôt des opportunités qui se mettaient en place devant moi. J'étais en licence lorsque j'ai lu un article sur une jeune Nigérienne qui venait de soutenir sa thèse de doctorat en hydrogéologie Aujourd'hui, elle est la première scientifique nigérienne à la NASA, Dr Fajimaina. Je l'ai contactée sur les réseaux sociaux. Elle m'a accompagnée, euh, on a construit mon projet de thèse donc euh, mon rapport avec la science, c'est vraiment euh, un rapport de j'ai été inspiré et j'aimerais inspirer à mon tour. Son parcours et surtout son projet de thèse ont permis à Farida de représenter le Niger à l'international. Elle est aujourd'hui la première lauréate nigérienne de la 13e édition du prix jean Talent Afrique subsaharienne de L'Oréal et de l'UNESCO. Elle nous parle du projet avec lequel elle a participé à ce concours. Mon projet de recherche porte euh, sur euh, l'élaboration de modèles de prédiction de l'évolution des, eaux souterraines, notamment dans le nord du Niger. Tout ce qui est mine d'uranium en lien avec euh, changement climatique, mais aussi disponibilité des ressources pour les populations. Un outil d'aide à la prise de décision qui va permettre de mieux gérer les ressources pour minimiser les impacts sur les populations. Pour parvenir à ce stade, Farida a dû faire face aux pesanteurs socioculturelles en tant que femme. Elle s'en souvient encore aujourd'hui et compte démontrer qu'on peut bien remplir son rôle de femme dans la société et réussir en même temps dans le domaine des sciences. Franchement, j'avais des tantes par exemple qui disaient Oui, mais tu étudies les pierres, c'est pourquoi euh, Non, tu sais quoi, mieux tu laisses tomber, après tu viens, tu te maries, etc. Et aujourd'hui, c'est une des, causes qui me tient vraiment à cœur, c'est de pouvoir montrer que on peut tout à fait être une femme euh, accomplie, on va dire, euh, socialement et être scientifique parce qu'on a les capacités de le faire. À l'image de Dr Fajimaina, première nigérienne à travailler à la NASA, Farida vient d'allonger la liste des femmes scientifiques au Niger avec déjà une prouesse, le premier prix Jeune Talent Afrique subsaharienne de L'Oréal et de l'UNESCO. Voilà Rabi, c'était le portrait de Farida Dobi réalisé par Rukayotu Abdurrahman qui tu eu l'honneur de rendre au studio. Ah oui, elle était vraiment euh, inspirante. C'était euh, une, rencontre remplie de plaisir. Et bien sûr, Rabi, ces portraits s'accordent parfaitement à notre prochaine proposition musicale. Wayboard Dendi du collectif Son Niger, une très belle chanson qui rend aussi un grand hommage à la femme nigérienne. Bordangui. Cette jolie chanson, on la dédie à toutes les Bordangui du studio Kalangu et de partout au monde qui nous écoutent sur cette émission. Fanta, euh, nous avons aussi des Bordangui, vraiment dans l'équipe femme du studio Kalangu, qui nous ont préparé un loti spécial 13 mains. Cette date historique est à mettre à l'actif des femmes nigériennes qui se sont battues et ont obtenu une meilleure représentativité au sein de la Commission nationale préparatoire de la conférence nationale souveraine en juillet 1991. On écoute Rekia Arimi, Mariam Adey et Samira Rouafi matsukiji, matsukiji, matsukiji, matsukiji, matsukiji. Hey! Matsukiji. je wurin wannan bikin ka in je in yi latti. Salamu alaikum, salamu alaikum. Wa alaikum assalam. Maryam, je ki gani wane ne kenan kamun ni in dar na. Ina kwana tanti, sannunku da zuwa. Sannu ɗiyata na gode. Ina ma mataki, ina dai fatan ba ta can tana kwana kamar yadda ta saba. Kai ina nan ga jin kifa daga nan ma. Kwana, waye ce miki zai yi kwana war haka a wannan ranar? Ke bari ma in gaya miki, ni na yi latti ma ne. Ina sa ki haka duk a guguje. Hmm, kawa kada ki ce mini wai kin mance wannan ranar goma sha uku ga watan Mayu yau kenan. Rana ta matan ƙasar Nijar. Kamar yaya, kenan har da wata rana aka keɓe mana mu matan Nijar. Tun yaushe, ya ma aiki wannan abun kenan kina son ki ce yau babu aiki. <laughs> ke a hankalinki. Wannan ranar ba yau ba ake hidimanta tun shekarar 1991. Shekara ɗaya kenan, ai shekaru na ne. <laughs> To sai me kuma wannan ranar an girka ta ne tun shekarar 1991 bayan wani taron jerin gwano babba da matan kasar Nijar suka yi lokacin da ake nan ga gudanar da babban taron da ake kira Conference National Sovereign. Don me yasa suka yi wannan jerin gwanon? Ko ba a gayyace su bane a wajen taron? To, kamar dai haka nan ne tunda a biron da ke tsara shi wannan babban taron babu mace ko guda wanda yasa matan nan na kasar Nijar suka fito suka yi babban babban taron gangami domin nuna rashin jin daɗinsu a kan layi da kuma kwato hakkinsu na cewa an dama da su cikin wannan taron. Amma matan Nijar wallahi suna da kokari da kuzari kuma ai hakan ma ne ya kamata a yi mazan da ke aza ko ai sun ishe kansu. Ke karki je ki juya zance na fa ni ba ta nan na yi ba kawai na haɗe miki ne dalilin da aka girka ranar nan kuma ban ƙare ba kin san tun lokacin nan a faɗin ƙasar nan kowace ranar goma sha uku ga watan mayu ranar ana hidimar ta ne tare da wasu bukukuwa da dama da ayyuka da dama domin tunatarwa mata da 'yan mata matasa ga wannan ranar na kwato incinsu da kuma ya kamata a ce sun yi yaƙi don ƙara kwato incinsu na shiga cikin siyasa da kuma a dama da su wajen yanke shawara. Masha Allah, saboda shi ne kika yi wannan shirin hakan ga. Ah, yo dole ne ai in yi hakan. Gaskiya wannan labarin goraye matukar taba ne. Kuma ina shawarta muku da ku je ku dan kewaya ƙauye don ku wayar da ma 'yan mu mata kai su san da wannan ranar akwai ta dan su. Insha Allahu, in dai na tayi wurin bikin nan, na sanar da wannan shawarar taki da kika bada. Ta bangare na kuma zan ta in gaya ma Alhaji kuma in sanar da shi da yau shine zai ɗora abinci kuma ya kula da yara. Kawali. <laughs> <laughs> kar ki je fa ki juya abin da na ce ni ba nan ba na ce ba ke ko ki damu kawai ina so in gani ne in ana so na ko ba a so a to wannan kina da gaskiya za ki iya yi domin makokin samu hutu Merci à l'équipe femme du studio Kalangu. Fanta 1, la faveur toujours de la journée nationale de la femme nigérienne, nous recevons Alamine Ouachar qui va nous parler de l'expression droit de la femme. Bonjour Alamine, il est du desk à Bonjour Rabi, bonjour euh, Fanta. Bonjour Alamine. Bonjour. Je suis avec vous dans l'actualité, c'est la journée euh, internationale euh, nationale de la femme. Nous sommes à la veille, oui. Donc on est toujours à la veille, mais l'expression est là, les droits de la femme. Il fait suite en effet à cette journée nationale de la femme nigérienne qui est célébrée le 13 mai de chaque année. Il symbolise la marche historique du 13 mai 1991 par les femmes nigériennes qui ont réclamé et obtenu une plus grande représentativité au sein de la commission préparatoire de la conférence nationale souveraine tenue le du 29 juillet au 3 novembre 1991. Ça, c'est une grande lutte. Donc, euh, en parlant des droits, je définis les droits comme si l'ensemble des droits de la personne, et en particulier l'égalité des sexes, l'équité salariale, la prise en compte de la maternité. Je m'en vais en tamashek, c'est une langue que peut-être Fanta comprend un peu. <laughs> وادما <laughs> آه، دغا اوي قال لنا ازل نزل هذه موصن ازل كنتو جنتو قال لنا آه، مودا تدو دينا النيجر دغا قال لنا باتون الحق سنتاس الحق تدو دين يموصرت ادي زيرن دغا تبدي تاغنا تدو دين النيجر مراوت كرادت اللي تمه يموس نزل تكاس دولة النيجر في المدن تدو دين دسكتي نزل انت بلا انت جن الدين انت موسى انت متوك ويتا جن انت مراود كرا دت اللي تمان نوات وان جيم تزات ما دت تزات مروان ديان السنتاس ارت تنتك فان الحق نيجوس نسمو تجون كونفرنس تاتيك سنة مروان تزارت اللي تنجي اسكرا دا نوفمبر نوات وان جيم تزات ما تزات مروان ديان دا غادي الحق ان تدو هذا نيب غوتنين الحق فلقنا ويقلن يجوزنا الشغلة الحق فلقنا ويقلن توكدا دا غرا تنقول الحق فلقنا ويقلن voilà, c'était l'instant culture linguistique en français et en tamashek. Dis Alamine, comment on dit merci déjà en tamashek Tanemert. Tanemert. Tu gigotes la tête comme si tu comprenais la langue. <laughs> voilà, chers auditeurs, vos messages, hein, vos messages de soutien nous font un bien fou. Bibi, on écoute quelques-uns Oui. sunana ibrahim haruna da ke nan garin birnin kwanne a gaskiya muna shawararren eh, labaran studio kalangu za ka ga dukkan daukacin labarai na kasar nijar ne suke wallafawa har tsawon eh, awa biyu da lokaci ya yi duk abin da nake zan ajiye shi da na shawararren labaransu eh, kuma akan haka muna isar da saƙon barka da sallah zuwa ga daukacin al'ummar nijar da kuma ma'aikatan studio kalangu gabaki daya. sunana wali ahmad daga gegime gaskiya shirye-shiryen kalangu yana birge mu game da wayewan kan da suke bamu allah kara mata yarda allah kara mata girma allah ɗaukaka ma'aikatan nasu wanda suke gidan radio kalangu gaskiya muna sauraron radio kalangu ɗari bisa ɗari kuma muna jin daɗin shirye-shiryen da suke sa mana muna saurara a nan yayi mai ina gaida wali ina gaida hanne ina gaida hajja ummi ina gaida falmatai ina gaida hafsayya ina gaida sa'ade ina gaida rashida ina gaida yarana ina gaida dukka ma'aikatan kalangu da wakilansu gaba daya eh sunana abubakar Mamman suntar a nan garin gegime gaskiya akan shirye-shiryen kalangu midinal wannan gaskiya suna sa yawan wakoki wannan in so samu eh, su dan jara karen bangaren nan ma'aikatan studio kalangu game da ayyukan da suke yi muna jin daɗi sosai shirye-shirye suna da dama kuma suna ba da labaru mai ingantanci wanda ke da amfani to da farko dai ina gaida ash baby a farin ciki ta kenan <laughs> na biyu ina gaida yunusa bulama na uku ina gaida suleiman da malam mamman kalli duka dai 'yan garin gigima da kewayenta. Assalamu alaikum sunana Ibrahim Iliya. Gaskiya labarin studio Kalangu muna sauran shiga radio Tarmamuwa ta sawa kuma suna faɗakarwa Voilà, point final de cette édition du vendredi 12 mai 2023. On se dit à la semaine prochaine avec un nouveau duo, bien sûr. Vous étiez en compagnie de Fanta Chamsou et Rabia Mekano. L'édition a été assurée par Adam Adawaki. À la technique, nous retrouvons Amina Hassan. Très bonne fête de la femme nigérienne à toutes.